Ah, on donne ah, deux équipes à ah, muy on a à diggante ki À ne mooy ASC Jokko ki al ne ASC de excusez-moi À Ousmane à la balle va récupérer le capitaine À Joko qui va introduire pour Serine il n'est pas en jeu Serine dans la soupe de passion Serine qui va frapper et que voilà le but voilà le premier but de Joko marqué par euh, Serino. Ah, bah, Serino, c'est une belle euh, introduction de son capitaine euh, Kamel. Ah, de son capitaine Aliou. Voilà, euh, ah, moi, à introduire qui a à moi bah en profondeur. Ah, c'est Baïserine pousse belle. Ah, pousse à Dor Dor pour tromper le portier à De ah au lieu ñàkk qui ndaxte ki am ah mooy le milieu défensif ah bu euh, de Asana, décalé de côté droit ah jox ko ki am ne Et Ibou le latéral droit Ibou qui va essayer de chercher devant ah, pour à euh, euh, trouver carrément euh, Ousmane l'attaquant. Mais la couverture de Daouda qui perd cette balle. Dakalo qui récupère par Elage pour Ousmane dans la séparation. Ousmane qui va frapper égalisation. Égalisation réalisation de Jacaro. Ah, c'est une balle perdue. Ah, c'est une balle perdue par Dado Koudjabi. Ah, récupéré par Elas, euh, moins introduit que pour gagner. Ah, moi Ousmane. Ousmane qui a contrôlé dans la sous avant de frapper pour tromper le portier. de Djoko qui a le moyen Diop. Pilier à euh, gauche. À l'ancien gauche euh, magique de Tenungui xam naa aussi mon ngi ñuy Babacar pour wax qui va centrer au deuxième poteau la craque de le deuxième ballon mauvais centre de euh, Hassan Aca Diakalo pour dessus le balle récupéré par Daouda pour Hassan Hassan qu'est-ce qu'il va faire Hassan qui n'est pas mais ballon toujours à Diakalo par euh, Kérékou euh, Kirikou qui dépasse la ligne médiane Aca def na benn dribble maanaam jàllale Babacar muy demee jël qui ki am na mooy Gora et que y a fort à sur Kérékou le coup Moussa. La tête, le deuxième Le danger est toujours là. Repoussé par le portier. Ada Doko par Kanoé Alpha. Amaya ah, euh, Babakar. Acha Babakar, John Hassan. Hassan wala Ginao. daanu na dara Khawul. acha ñi xam ne coup euh, à ah, mauvais pas le le sur le pour Joko le pour qui qui ko à euh, Baye qui sort la faire de passion Baiserin. qui va centrer en retrait pour Aliou Aliou ah, qui va frapper la frappe d'Aliou euh, qui passe au-dessus de la traversale. Euh, gardée par le portier de Giancarlo qui a amené. Euh, depuis tout à l'heure, il n'y a que son nom. Attention à cette balle bien sortie du gardien de but de l'équipe de Giancarlo qui a repoussé Toujours avec euh, Dioko, euh, long dégagement en profondeur. Euh, ballon repoussé par le numéro 15 de l'équipe de Diacarlo. Récupération de balle. Attention à cette équipe. Attention avec le numéro 18. Attention ah. sur la barre transversale. Ah, bien dit. Avec, pour le moment, comme les gars, c'est devant Sérigno, les Rennais. Ah, y a l'idée d'attaquer, mais devant Série, nous avons encaissé les Rennais, mais nous avons Donc, c'est le mot. c'est l'arbitre central du Cameroun. Ah, moi, à à cible Ah, Ballon récupéré à part euh, le numéro 19 de Djoko. Attention, c'est maintenant. Attention, attention à cette balle avec le numéro 18 qui tente tir hein. eh, c'est raté. Le tir n'était pas cadré, Alpha. Numéro 18 qui fait la passe, Kirikou. C'est maintenant avec le numéro 14, Kao. Il fait un centre Attention avec le numéro 18. Attention C'était bien tenté, Alpha. Ouais, ça bien Le tir était cadré, mais euh, malheureusement euh, pour le numéro 18, le numéro 14 du moins de l'équipe de Giancarlo. Sur le deuxième ballon, Bamba contré par euh, Goro Kizalega pour euh, Alia. Attention encore pour Djoko. Alia. C'est le côté droit, pour qui ah, Pour Ousmane, la, la remise. Ah, pour Olier, démarqué, repoussé par le portier. Hassan. Avec Mohamed. C'est la passe avec Ousmane, attention Attention Il rate la balle. C'est Ousmane. Ousmane. Ousmane qui avait à Djoko, 1 ah muy li nga xam ne mooy de finale euh, phase départementale édition à 2023 C'est diggante Jàkkaarloo ak Kemne Abdoulaye en profondeur pour essayer de trouver Ousmane qui va frapper à côté. ak euh, ki nga xam moy à à maintes reprises mais gis aussi c'est entre jeu à à Diokobi Alpha un jour euh, talentueux, un jour très expérimenté maintenant. Alpha. Attention, euh, c'est un compte pour Diakalo, à part Kelukou qui va centrer, à Poznan qui va marquer le deuxième. Voilà le deuxième. Voilà le deuxième but à Akran. À ah, c'est la deuxième fois. Ah, oui, des fois, même et À cette égalisation, même ennemi. Et voilà encore euh, dans le Pape Ousmane l'attaquant de Jakaarlo. xam nga da nga koy cash alpha gis nga amna erreur yo xamné erreur défensive boko défé dang kay payer très cher parce que en face ils ont une euh, excellente équipe une équipe très expérimentée alpha une équipe euh, talentueuse de Jakaarlo euh, une équipe bo xamné il a de l'expérience à des grands moments des grands rendez-vous alpha donc boko may opportunité bobu daf koy saisir pousser Joko parce que y a de la pour une égalisation alpha a Djoko soit fait le troisième but Voilà, wala j'ai égaliser Alpha c'est attention Salva Mohamed qui va frapper il me semble qu'il y a faute. son expérience Alpha ah ouais, pour avoir un, un coup franc intéressant Alpha. Voilà. Euh, la faute. On son capitaine le numéro 15 qui fait un centre attention la tête la tête du numéro 17 c'est fini. C'est fini Alpha, c'est fini Akron. Euh, la rencontre est terminée entre l'équipe de Djoko et l'équipe de Giacarlo, mais malheureusement pour Djoko, l'équipe euh, de Giacarlo bi mis donc moi qualifié en huitième de finale Akron.